d'être 11h à Niamey partout au Niger, chers auditeurs, auditrices du studio Kalangu, Bonjour à vous. C'est un plaisir encore euh, une fois ce matin de vous accompagner dans cette émission Le Niger sur Kalangu de ce jeudi 7 mars 2024. Au micro, je suis Ali Munkela Ouseni alias Seno et à mes côtés Samira Rouafi. La technique d'aujourd'hui est assurée par euh, Amina Hassan. Et à l'édition, nous avons la grande dame euh, Rahila Soumana. Alors, Samira, en forme ce matin Oui, ça va très bien. J'espère que c'est pareil de ton côté. Tout va bien de mon côté, Alhamdulillah. Tranquille, alors qu'avons-nous au menu ce matin eh bien, Samira, ce matin, comme d'habitude, nous allons débuter avec le flash d'information qui nous sera présenté par euh, Nafisa, Adamou Sirfo, une bonne dose de musique 100% euh, nigérienne sera servie à nos auditeurs. Dans la rubrique Éco des régions, nous, nous restons à Niamey pour parler des activités euh, des praticiens. Il y aura également la page sport avec notre chroniqueur sportif du jour, de la culture linguistique, du loti avec le desk femme du studio Kalango, sans oublier la rubrique hebdomadaire éducation numérique. Et enfin, nous allons clore avec les messages vocaux de nos auditeurs. Comme invité Samira, ce matin, nous recevons Ahmed Mouslim, plus connu sous le sobriquet de El Phoenix. Il est artiste, rappeur et étudiant en médecine. Avec lui, nous allons échanger sur comment partager sa vie entre études et vie artistique. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous allons ouvrir. Donc, on fait une petite pause et on revient juste après. Chers euh, voici pour vous, comme annoncé, le Flash Info présenté ce matin par Nafissa Damoussirfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Samira, bonjour Seno. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Une délégation du Fonds monétaire international est en ce jour au Niger. Hier, 6 mars, à des échanges avec le premier ministre de la transition nigérienne, M. Ali Mohamed Laminzen, et le représentant résident du Fonds monétaire international au Niger ont porté sur le développement récent de l'économie nigérienne et des perspectives à court et moyen terme. Également, la mise en œuvre des réformes et des priorités du gouvernement nigérien dans le cadre des programmes appuyés par le FMI, a-t-il ajouté avant de relever que la rencontre était très fructueuse. Huit nouveaux membres de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale COLDEF ont presté serment hier mercredi 6 mars 2024 au palais de la présidence. Ces nouveaux membres de la COLDEF remplacent ainsi les membres démissionnaires ou démis des 35 membres de cette commission créée le 13 septembre 2024. Enfin, une force conjointe de prise en charge des défis sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, sera bientôt mise en place. L'annonce a été faite euh, cette semaine par les chefs d'état-major des armées du Niger, du Burkina Faso et du Mali, même si l'effectif et les modalités d'opérationnalisation de cette armée commune n'ont pas encore été déterminées. Sur le terrain, la synergie d'action est déjà active, effective selon les chefs d'état-major des trois pays de l'AESA. C'est la fin de ce flash d'information. Merci euh, infiniment, Nefisa, pour euh, toutes ces informations. Chers auditeurs et euh, auditrices, à présent, nous allons suivre la rubrique hebdomadaire. Nous sommes jeudi et justement, nous allons parler l'éducation numérique, n'est-ce pas, Samira Exactement, nous parlons éducation numérique dans la rubrique hebdomadaire euh, de cette euh, semaine. Alors, euh, c'est nos... Oui, aujourd'hui, nous allons revenir sur l'intelligence artificielle et son impact carbone. il s'agit bien de l'échange qui a eu entre Fanta Chamsou et moi-même. Nous nous sommes entretenus avec Ousmane, le chef du département numérique du studio Kalangu, sur le sujet. Je vous propose de l'écouter. Dans la rubrique éducation numérique de ce jeudi, nous allons plonger dans le monde de l'intelligence artificielle et découvrir une facette souvent méconnue, son empreinte carbone. Des chercheurs se sont penchés sur la consommation énergétique des modèles de langage et les résultats sont surprenants. Pour en parler, nous sommes avec Ousmane Mahmoudou, responsable de l'équipe numérique. Bonjour Ousmane. Bonjour Fanta, ravi d'être euh, ici pour en discuter. Super. Alors Ousmane, parlons de cette étude qui a quantifié euh, l'empreinte carbone de la génération d'images par l'IA, l'intelligence artificielle. Comment les chercheurs ont-ils abordé cette question Alors, c'est une étude assez intéressante, je trouve. Donc, les chercheurs se sont en fait penchés sur la consommation énergétique des modèles de langage, donc en particulier en ce qui concerne la génération d'images par l'intelligence artificielle. Ils ont collaboré avec une start-up euh, qui s'appelle Hugging Face, qui est très connue dans le domaine, une start-up américaine euh, développant des outils pour euh, utiliser l'apprentissage automatique notamment, et une université qui s'appelle Carnegie Mellon, qui est aussi spécialisée évidemment en recherche, qui est à Pittsburgh, en Pennsylvanie, donc aux États-Unis, pour mener cette étude-là. Et qu'ont-ils découvert concernant l'empreinte carbone des images générées par l'IA alors, les chercheurs ont examiné un total de 13 tâches. C'est parti de résumé de textes, de la classification de textes, etc., etc. ils ont calculé le volume de gaz carbonique donc produit pour 1000 grammes. Mhm. L'expérimentation a porté sur 88 modèles euh, différents qui ont utilisé 30 ensembles de données. Donc, 88 modèles de langage, en fait, il faut comprendre par là que ce mhm. soit des modèles de type chat GPT, midi journée etc. pour la génération d'images. Et Pour chacune des tâches, les chercheurs ont saisi 1000 requêtes pour tester les modèles. Et donc, selon l'étude, l'empreinte carbone d'une image générée par une intelligence artificielle est équivalente à une recharge complète d'une batterie de téléphone de smartphone. Donc à chaque fois que vous générez une image sur midi-journée, sur DALI, vous épuisez la batterie complète d'un téléphone portable l'équivalent. Et donc le modèle le plus gourmand parmi tous les modèles qu'ils ont testés, c'est Stable Diffusion. Pour toutes les personnes qui sont un peu de l'intelligence artificielle, Stable Diffusion, c'est un modèle de langage qui est gratuit, donc qui est un peu le concurrent de Journée, qui sert à générer des images. Lui, il est open source et donc c'est lui qui hmm. consomme le plus d'énergie. Cela peut sembler minime à première vue une batterie du smartphone, sauf que si vous faites le ratio à l'échelle de la planète, hmm. ça fait beaucoup. Alors, les chercheurs ont également examiné euh, différentes tâches liées à l'intelligence artificielle, n'est-ce pas Exactement. Donc, la génération d'images se distingue parmi toutes euh, les recherches qu'ils ont faites. C'est la génération d'images qui se distingue nettement comme l'activité la plus gourmande en énergie. La classification de textes est l'activité la moins économe en énergie. Et avec euh, la démocratisation des outils, il y a des créations d'images. L'étude suggère quand même que le volume des émissions de CO2 pourrait rapidement augmenter. Et euh, quelles sont les recommandations que les chercheurs ont formulées Les chercheurs soulignent l'importance de la transparence. Ils recommandent aux scientifiques et aux entreprises de divulguer la nature et les effets de leurs modèles afin de mieux comprendre leur impact sur l'environnement. C'est une démarche qui est très importante pour atténuer les conséquences potentielles de la croissance rapide de l'utilisation de l'intelligence artificielle à travers le monde. En termes de transparence, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, Google et Microsoft, ils ont publié leur rapport de responsabilité environnementale pour l'année 2022. Dans ces rapports, on apprend par exemple que Microsoft a consommé 6,4 milliards de litres d'eau en 2022 pour refroidir leurs euh, serveurs. Soit une, augmentation de 34%. Chez Google, on est passé à 20%. Donc, pour un peu donner l'idée à nos auditeurs pour qu'ils puissent comprendre, parce que des milliards de litres d'eau, ça veut rien dire. J'ai regardé euh, la consommation énergétique, par exemple, du Niger dans le rapport du ministère de l'Énergie. Mhm. En 2021, le Niger a consommé 1,3 gigawatts euh, d'électricité. Et les serveurs de Google, rien que Google, en 2021, il a consommé 21 gigawatts. Donc Google seul, <laughs> c'est 21 fois la consommation d'électricité du, Niger. Et donc pour refroidir tout ça, Google a eu besoin de 20% d'eau supplémentaire. Mm. Alors Google, 20% d'eau, c'est quand même beaucoup. Ça, ça, se chiffre à 21 milliards de litres d'eau. Et là encore, j'ai euh, regardé les statistiques en termes de consommation d'eau euh, du Niger. Et pour la ville de Niamey, par exemple, en 2019, j'ai trouvé un rapport de la euh, Seine qui dit que Niamey a consommé, euh, la Seine a produit 45 millions de mètres cubes. Alors, chez Google, on est à 21 millions de mètres cubes pour refroidir les serveurs. Donc c'est à peu près la moitié de la consommation d'eau de Niamey. Merci euh, beaucoup euh, Ousmane pour euh, ces éclaircissements sur l'impact environnemental de la génération d'images par l'intelligence artificielle. Une invitation à la transparence pour un avenir plus durable. Merci Ousmane et bonne journée. Merci. Voilà, chers auditeurs, vous venez d'écouter euh, la rubrique hebdomadaire éducation numérique. En attendant l'arrivée de notre invité du jour euh, qui va nous rejoindre dans peu de temps, nous allons d'abord euh, savourer l'un de ses titres. Il s'agit du titre Ici, c'est On écoute et on revient juste après. Phoenix. Ok, j'ai pas mes mots, j'attends le bon moment, c'est automatique. Tu me souris pour de faux, non, ne fais pas semblant, c'est trop pathétique. Ma team authentique, magique, magique. Phoenix est unique. L'Afrique valide le monde panique. Non, ce n'est pas mythique. Salam record antique. clic À ses MC, pas de pique. Ce sont morveux, se mouche, mais quand même se couche. Du lourd, on avait promis. Ils nous suivent comme des. Dans nos têtes, c'est la folie. Prépare-toi à prendre le col illimité nos talents mérités. Jalousé par les faux MC. Sur le terrain, je les vois paniquer. je les vois paniquer. Rien ne nous effraie, rien ne nous étonne. Même si tu pèses des tonnes, non, tu n'impressionnes personne. Ici, c'est Niamé, Ici, c'est Niamé Ici, c'est Niamé, Ici, c'est Niamé mix muslim sur le ICC, c'est Niamey, c'est ICC, Niamey, ICC, ICC, Niamey, Niamey, Niamey, ICC, ICC, Niamey, ICC, c'est Niamey, ICC, c'est Niamey, Niamey. Alors, comme annoncé tantôt, nous recevons dans nos studios Ahmed Mouslim alias El Phoenix. Bonjour. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence. Je rappelle que vous êtes artiste, rappeur et également étudiant. Nous avons, euh, nous allons plutôt échanger avec vous euh, sur euh, les axes, comment rejoindre les deux bouts avec la vie d'artiste et surtout comment les concilier, être artiste et aussi les études. Exactement, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, Muslim, nous venons d'écouter l'un de vos titres. Bien sûr, il s'agit de Ici Mais Alors, c'est quoi, pourquoi le choix de ce titre? C'est quoi la petite histoire? Dites-nous tout. <laughs> ok, je sais pas si on peut appeler ça une petite histoire, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ce morceau. Mhm. Euh, c'est le morceau qui m'a fait découvrir, qui m'a lancé sur la scène musicale nigérienne. Mhm. Et à l'époque, euh, je crois que c'était en 2018. Je travaillais avec euh, Salam Record du grand frère Kamikaze que vous connaissez. Mhm. Et le son est parti sur euh, quelque chose de complètement banal. J'étais avec mon gars Paul, euh, qui est beatmaker. Mhm. Et il y a Arafat qui venait de sortir un son, en fait. Et le son était assez ambiançant. Et ça coïncidait avec la période où on s'est décidé que je devais sortir mon premier morceau officiel. Mhm. Et on était sur le doute de, de quel thème, quel style musical. Et on s'est dit, OK, l'artiste, tu arrives, tu veux te faire découvrir par Niamey, mais tu aimerais également faire découvrir Niamey. Et c'est de là qu'il est parti. C'est même lui qui a commencé le délire. Ici c'est Niamey, ici c'est Niamey, ici c'est Niamey. puis bon, j'ai pris le truc, j'ai commencé à bosser, bosser, bosser. J'ai composé un truc et bon, c'est parti en studio. On a fait le son. Il y avait une première version du son. Et quand on a balancé ça en audio, il y a eu des retours assez intéressants. Mhm. Et après ça, on s'est décidé qu'on allait le retaper de manière beaucoup plus professionnelle. Et là, on a fait ça comme il faut. On a fait le clip. Et bon, ça a donné ce que ça a donné. Après la sortie, il n'y a pas un endroit où je passais à Niamey sans avoir des retours, les studios, les, tout ça, tout ça, quoi. En tout cas, En tout cas, félicitations. c'est très bien fait. Là, on a eu le déclic parce que tu viens de nous dire euh, par où ça a commencé. <laughs> Mais on peut dire globalement, ça fait combien d'années que tu es arrivé dans la musique comme ça? À vrai dire, je, en termes de carrière, c'est depuis 2018. Mhm. Même si j'ai fait une pause, ça fait 4 ans que j'étais en pause. Ça ne fait même pas un mois que j'ai repris. Mais la musique, je, depuis mon enfance, mhm. à l'âge de 10 ans déjà, euh, ma grand-mère, en fait, c'était une enseignante d'école coranique. Donc, euh, ah. Euh, avec les chants religieux là et tout. Donc on chantait beaucoup. Donc la voix était déjà là. Maintenant, c'est vers les 12-13 ans j'ai commencé à composer. À 17 ans, j'ai enregistré mon premier morceau. Mes carrières, c'est en 2018 officiellement. D'accord. Alors, vous venez de, dire, hein, euh, que vous avez mis une petite pause avant de, reprendre. Ah. Alors, c'était quoi Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez mis la pause C'est concernant toujours les euh, études Parce que non, c'est pas les études en réalité. En fait, les études, c'est une partie de ma vie, mais ce n'est pas que ma vie j'ai beaucoup d'autres. Il y a la musique, il y a mes études, il y a le côté parce que je suis également entrepreneur. Ah, ouais. Il y a ça. Et je suis même en quelque sorte père de famille parce que là, je suis avec mes petites sœurs ici. Et donc, il y a tellement de choses. Mais la vérité, c'est que je me suis arrêté parce qu'il y avait deux, deux raisons principalement. La première, c'est que déjà, il faut savoir que quand je me suis arrêté, Beaucoup de gens ont parlé. Ici, Sename vient de sortir. Fania sort. J'enchaîne, j'enchaîne. Je commence à faire parler et tout. Et d'un coup, je disparais. Hmm. Je ne me retrouvais pas musicalement. Il fallait que je crée mon identité musicale déjà. Mhm. Et de deux, il fallait que je me prépare parce qu'il faut savoir une chose, la musique c'est un business. Tu Tu peux pas faire de la musique en disant ouais je suis passionné. Vous entendrez souvent les artistes nigériens, la musique ça paye pas, la musique c'est... En fait la musique, quand tu ne la prends pas comme une entreprise à part entière, tu vas faire, faire, faire à un moment donné tu échoues, tu abandonnes. Tout simplement. Parce que tu n'as pas créé le cadre d'un business. Tu es le, Toi et ta musique, vous êtes le produit et il faut savoir comment le vendre. Ok, alors comment avez-vous euh, concilier votre passion pour la mhm. musique euh, rap euh, avec vos études en médecine Bon, à vrai dire, il n'y a jamais eu de problème de ce côté-là. C'est juste une question de planification, d'organisation. Mhm. C'est tout. Quand tu es organisé, tu sauras comment gérer. C'est pas facile, mhm. mais tant que tu es bien organisé, tu peux gérer ça. Et ah, alors, quel impact avez-vous euh, et surtout sur euh, la formation en médecine On sait tous que c'est pas facile. On n'a pas mhm. fait la médecine, mais les gens disent c'est difficile, il faut se concentrer. Et maintenant, il y a aussi euh, les paroles de la musique à écrire à bûcher, plus les études. Bien que tu dis que c'est une question de planification, toi, comment tu procèdes À vrai dire, euh, bon, la médecine, c'est très difficile, sincèrement. Déjà, mm. <laughs> savoir. <laughs> <laughs> c'est pas facile entre les. Et vous êtes déjà en quelle année Là, je fais la cinquième année. Il y a les cours qui sont assez costauds. Mhm. Il y a les, comment on appelle ça Il y a les stages qui sont également très prenants parce que voilà, tu sors le matin, tu reviens tard le soir et tout. Mais encore une fois, c'est une question de planification. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas qu'en médecine. Hmm. J'ai la médecine, j'ai le côté entrepreneurial qui est là, hmm. j'ai la famille à gérer et puis j'ai la musique à gérer. Il s'agit juste de créer un créneau. C'est juste que tu dors pas en fait. Hmm. Tu n'as pas du tout de temps pour toi-même. Mais quand tu te gères bien, ça passe. Ok. Alors, euh, <coughs> excusez-moi, quelles sont vos principales euh, sources d'inspiration euh, en tant qu'artiste, rappeur et étudiant en médecine Ok, mes principales sources d'inspiration, en réalité, je m'inspire d'absolument tout ce qu'il y a autour de moi. Mm. Euh, je dis souvent euh, dans mes morceaux, je rappe ma vie. Ma vie, c'est le rap. Mm-hmm. Euh, la musique vient de tout. Je peux voir un truc aujourd'hui, un passant qui pose un acte et ça me pousse à écrire. Mm-hmm. je peux voir une situation qui me pousse à écrire. Par exemple, j'ai fait un son là pour après les attentats de Difa Mhm. J'ai fait un morceau sur ça, ça m'a inspiré. Euh, la fac, la vie étudiantine, vous connaissez, comment ça se passe, les difficultés qu'il y a. Euh, sur mon album, par exemple, je parle un peu de ce côté-là. Il y a tout, tout peut inspirer en fait. Quand tu es en musique, tout peut t'inspirer, absolument tout. Super, alors euh, pour cette première partie de nos échanges, nous avons compris que votre arrivée dans la musique euh, ne date pas d'aujourd'hui, mais officiellement c'était en 2018 mhm. que vous êtes arrivé en force. Et aussi vous êtes en cinquième année de médecine, c'est pas facile et tout, mais vous arrivez grâce à Dieu à gérer ces deux activités. Donc bien avant de continuer nos échanges, faisons donc une petite pause en musique, cette fois-ci avec euh, le titre de La Zakaraya Koka. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir notre rédacteur en chef qui est là pour nous assister dans cette édition de l'émission Le Niger Secret Kalangou que vous écoutez à travers nos radios partenaires partout au Niger. Et le groupe, euh, et comme on appelle ça, Lekel c'est vraiment un groupe euh, d'avant, très avant, ancien. Nous, on n'avait pas connu. Exactement. Mais on est venu trouver ces chansons et c'est vraiment très bon de les écouter. C'est du rap conscient qu'ils faisaient et ça inspirait toujours. Exactement, comme on le dit, c'est l'un des groupes de la old school. C'est mhm. ce que la jeunesse nigérienne appelle les anciens rappeurs qui ont eu en tout cas à marquer l'histoire dans le domaine rapologique au Niger. Voilà, et titres titre Zakaraya Koka qui appelle à la conscientisation de la, jeunesse, à se mettre au travail parce que seul le travail paye. katai kai aiki domin ci gabar mu wata ya mutu baka samu godala dangane ga Allah ba laihin kowa bane duniya a haka nan dole sai da hankuri aboki ka tashi she ka aiki ka tashi ka tashi she ka aiki zakara ya koka wayo zakara ya koka isa ka tashi matun tashi da kanka tashi da ranka dan uwa nemi nemi nemi nemi aiki baka da aiki ka sha wuya Allah ya ce kai aiki ya baka ga zamna ya baka ku zo mu tai ku zo mu je mu zo mu ga aiki dan taimakon kasamu mu ta Niger ilimi da lura hankuri da kokari hauya da kalma ana ruwa ana iska wargiyar ta micece damana da albarka zo mu ta mu shifka mu noma mu jasa da rashin bakon mu da nijar in baka aiki malam wahala makoji na makwai masu girbi kwai kulu kwai aiki duka aiki kai nongo fo nongo fo asin da na fa irsi ba fori zaka matun girbi bakul matun go kwai kwai akon da na fa mo kwai gani kwai fari kwai dunguri kwai makwai makwai le temps presse. Oui, au fil du temps presse. Au secours, travailler, c'est le plus chômeur. Personne ne se vraiment à rien. Alors, tu grises, terrorise le territoire. À qui lève-toi et mets-toi au travail. Car le coq a chanté. A chanté. A chanté. A chanté, car le coq a chanté. Zakaraya Koka, Oui, cher auditeur, Zakara Koka, Koa Yatashi. Mui Aichi, bien évidemment. <laughs> Euh, retour au studio avec euh, notre invité du jour. Il s'agit de El Phoenix qui fait actuellement partie de la New School parce que nous venons d'écouter la Old School. Alors, euh, Phoenix, <laughs> est-ce que tu peux nous faire un petit truc à la capella pour nos auditeurs qui écoutent la New School, bien sûr Avec plaisir, mon ami. <laughs> ok. Quand on est petit, on rêve grand, et quand on est grand, on voit petit, petit à petit, au fil du temps, le plus important, on l'oublie. Les plus grands succès naissent des folies, forcer le chemin que les autres fuient. Retiens que ce qui définit la vie, c'est la continuité des défis. Si la rivière freine ton passage, ou bien tu nages ou tu la dévis c'est vrai, c'est dur, la vie est ainsi, si tu ne le fais pas, ce sera qui Quand tu t'élèves, garde les pieds sur terre, tu ne voleras haut que si tu te méfies. Plus d'un en même temps que le succès, t'anéantir c'est le but. quand l'ennemi et surtout l'ami, proche est souvent celui qui te tue. Et quand demain tu auras tout, n'oublie pas qu'au fond tu n'as que ta vie. La vie c'est tout, à la fois c'est rien. on balance entre le mal et le bien, le mode d'emploi de ce bas monde n'est pas compliqué. Ah ouais. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Ah, voilà, mesdames et messieurs, hein. ça se passe en direct euh, depuis le studio, <laughs> Alors, Samira, on va continuer avec les, les questions pour eh notre invité. Mais ma question d'abord, c'est est-ce que c'est un nouveau titre que nous venons de déguster là Ouais, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est un extrait de l'album que je suis en train de travailler depuis euh, ma pause. Parce que mhm. bon, j'avais arrêté officiellement, mais officieusement, je travaille. Ok. Et ça, c'est l'un des extraits que vous venez d'écouter, euh, l'un des couplets en exclusivité comme ça super. Alors parlant de pause, euh, sûrement il y a des projets qui arrivent dans le futur. Est-ce que euh, vous êtes euh, sur des projets futurs et qui combinent vos deux passions Je parle bien évidemment de la musique et de la médecine. à vrai dire, pour ce qui est de la médecine, en termes de projet, la médecine c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une formation mhm. que j'ai faite par patient et cependant je n'ai pas l'intention d'exercer. Voilà. Après mes études, à la fin, après mon doctorat, je compte me consacrer exclusivement à la musique et à mes business, mes activités entrepreneuriales. Pour ce qui est du côté entrepreneurial de la chose, euh, voilà, je suis dans le, côté agroalimentaire et tout, mais j'aimerais également créer une filiale. C'est une société qu'on est créer avec mon associé, qui est aussi mon manager, qui est là juste à côté. On veut créer une filiale label. On veut monter un label de musique et la principale personne qui va la défendre, évidemment, c'est ma carrière musicale, quoi. C'est moi, le premier artiste signé. Mais Phoenix, disons déjà que la médecine, c'est les études les plus dures et les plus longues ici à la fac, ici à l'université Abdoumouni. Et maintenant, faire sept ans d'études et ne pas exercer. Pourquoi ce Pourquoi choix, ce choix voilà. <laughs> Ok, déjà, il faut savoir que la médecine, c'est, chez moi, c'est un héritage familial. Mon père est médecin. Et ma mère aimait beaucoup que je fasse ça et moi j'aimais bien. J'étais fan de mon père et tout, <laughs> j'aimais ce qu'il faisait. Mhm. Donc euh, j'ai décidé de faire ça. Mais parallèlement à ça, je fais d'autres formations de gestion, d'entrepreneuriat, de voilà, un peu d'économie et tout mhm. pour pouvoir gérer mes activités. Mhm. Donc c'est pour cette raison que euh, voilà, quand je finis, ça ne veut pas dire que je n'exercerai jamais, mais des petits trucs de temps en temps, peut-être à aider la famille et ce genre de choses. Mais aller me mettre dans un bureau, euh, travailler matin au soir, je pourrais pas avoir le temps de mes activités, donc je je pense pas passer ma vie dans, dans je sais pas, peut-être dans quand j'aurai la cinquantaine, <laughs> qui sait. Mais non, pour le moment non. Et la vie entrepreneuriale, comment ça va Bon, euh, ça se passe bien, ça se passe bien. On gère comme on peut. Euh, c'est pas facile, évidemment. Mhm. C'est pas facile, mais on maintient comme on peut. Et comme je vous l'ai dit, en ce moment, sur le plan musical, en tout cas, en rapport avec l'entrepreneuriat. Mhm. On est en train de monter doucement, doucement, réunir les conditions pour euh, lancer un label de musique, un studio label de musique, voilà. Par rapport à la création de ce label, il y avait, et vous avez vu le besoin qu'on a vraiment besoin d'un label de musique ou bien c'était parti de quelle idée bah, En fait, déjà, euh, je le fais pour moi-même. Parce que vous savez, euh, quand tu veux un truc, personne ne peut te donner ce que tu veux, ce que tu veux mieux que toi-même, en fait, mm. déjà. Et on sait qu'au Niger, c'est un domaine encore en voie de. C'est nouveau, c'est nouveau, c'est pas encore bien développé et mhm. bon, on essaie d'apporter la pierre à l'édifice. Exact. Donc euh, là, je monte mon propre label d'abord pour me signer moi-même, gérer ma carrière et après on verra si il faut signer d'autres artistes et voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour l'instant, le projet c'est mon album, c'est ce label. Mhm. Et doucement, doucement, on verra comment les choses progressent et évoluent. Quoi. Ok, ok. Alors, euh, El Phoenix, euh, quel message avez-vous à adresser à l'endroit de tes fans hein, euh, mhm. qui, vous, qui vous écoutent actuellement Bon, déjà, euh, il y a pas mal de petits points, mais le premier point, c'est que c'est par rapport à mon retour. Mhm. Là, je reprends ma carrière musicale officiellement avec un album qui est en, train de, en cours de travail en ce moment. Je suis en studio. Et en attendant, le retour, comme je l'ai dit, je reviens avec une série de freestyle, une mixtape de freestyle. Le premier est sorti il y a trois semaines de ça. Mhm. Et chaque mois, je compte en sortir un. Le second sortira juste après le ramadan. Et parallèlement, il y a l'album qui est en cours. Maintenant, par rapport à autre chose, ce que je dirais, c'est que euh, croyez en vous. Croyez en vous, croyez en vos rêves, même si tout semble compliqué, impossible, difficile. Mhm. Et battez-vous et n'écoutez pas toujours ce que les gens disent. Moi, on m'a, je sais pas, on m'a mis les bâtons dans les roues dans la musique. et le comble, c'est que Parfois, ce sont vos proches, vos familles, que ce soit la musique, peu importe ce que vous faites. Mm. Mais la famille peut vous boycotter sans vouloir être méchant avec vous, mais parce qu'ils n'y croient pas. il mm. Ils pensent que vous vous échouerez en fait. Mm. Donc croyez en vous et battez-vous. Et voilà. Croyez en vous, battez-vous, euh, chers amis, euh, vous qui nous écoutez actuellement. C'est le message de El Phoenix. Merci infiniment, El Phoenix, de nous avoir non seulement honoré de votre présence, mais aussi et surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous vous souhaitons une excellente journée et très bon vent. Réciproquement, hein. prenez soin de vous. Merci. <laughs> On fait une petite pause, on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute du Niger sur Kalangou, co-animé aujourd'hui par Samira Wafi et c'est nos 50%. Ali Moukela Ousseini, je veux dire. C'est parti maintenant pour notre troisième tour en musique. Et cette fois-ci, ça sera avec le titre euh, Ténéré de Diorodi. Yalla yalla, yalla yalla, que gaske kai wani rawar bugaje, cikin tanere way muna hip hop tanere. wai rawa kamin da shaye har zuwa kamar maraice wai muna hip hop da ne rawa ta gaske ta danna gaske ta da iyaye wai rawa kamin da shaye har zuwa kamar maraice yalla yalla yalla yalla kam da gaske kai wannan rawar bukashe cikin ta ne wai muna hip hop da ne ta kai da gaske wai ka gan mu kan mu tare mai rawa kamin da shaye har zuwa kamar maraice hip hop da ne hip hop da gaske Oh, I rewa irin ta tande yaro ka zo man rawa ta tande kai ma charse e vorrei guardare no terse ai che regava con perché per rimasti cerpando charse io casse casse casse con la focutash du mo camu shuna mo mo camu shuna bet kan wanna wa ka bugashe la shine strase derse derse derse derse derse mano hayo rabani mo mano kada hankali ni wo kabani mo mate ema du du du kar shar da bai da tawo abin da bai da tawo ka sani na sanga re shamen na fudar na bai shogo où est la contact pour la jeunesse renaisse pour l'espoir renaisse pour tout aille de l'avant quand ça doit déléguer déléguer je bana warma ko da lakkal warma warma da lakkal da madu da da lakkal kada da bai wa wakil makir mate ima

tous les miens sont décidés. Du pour l'espoir la pute s'est libérée. Et les miens sont solidaires, après la paix c'est s'installer, Viens voir, viens voir, mal. et il me semble au micro. Et y'a Roberto Hood et dans le combat. Et comme si dans le temps on était tous dans des soldats. On à fond pour prendre plein pour les dégâts. Niga, c'est ça pour Mais non, écoute, n'avance pas. Le sais des guides de pas. Et même si pas Ça aussi, c'est nous, c'est de la old school et on ne peut pas l'oublier. Vraiment, hein. le titre Ténéré de Jorodi, c'est vraiment un hit nigérien. Vraiment. Exactement, tout à fait. Alors, passons à présent à la partie reportage en région. Tout d'abord, euh, rarement nous saluons nos fidèles auditeurs euh, de Niamey qui sont là à nous écouter dans leur taxi, euh, sur leur fada et tout ce matin. Et du coup, un coucou à tous nos auditeurs de Niamey qui nous écoutent soit sur Canal 3 ou sur la radio Scout FM. À présent, le reportage en région après cette pause musicale, c'est nous et euh, bon nombre de Nigériens, à défaut de trouver satisfaction dans la médecine moderne, utilisent la traditionnelle pour se soigner. Mais ces derniers temps, les prix des produits ont augmenté parce que l'accès aux plantes et herbes devient difficile pour les praticiens. Plus de détails dans ce reportage signé Moutari Mahamadou. Eh voilà un euh, petit souci technique. On va entendre euh, en attendant qu'on puisse régler. Alors on va aller en sport parce eh que je vois notre euh, chroniqueur sportif Gourouza qui est déjà en place. <laughs> bonjour Gourouza. Bonjour Sino, bonjour Myriam. Alors, les journées oh, FIFA se préparent au niveau des différentes équipes nationales du Niger. oui, Samy, c'est une journée au cours de laquelle les équipes nationales vont jouer des matchs Amico à l'international et cela donnera au pays euh, des points au niveau de l'instance euh, suprême de football mondial qui est la FIFA. Le MENA du Niger a deux matchs euh, de prévu. Le 22 mars 2024, il sera face aux éperviers du Togo. Le 26 mars 2024, ça sera le MENA aux étalons du Burkina Faso. L'entraîneur d'ailleurs euh, de la sélection nigérienne, le Marocain Badou euh, sera face à la presse demain 8 mars pour dévoiler la liste des joueurs sélectionnés pour ces deux rencontres de la FIFA. Ok, Gourouza, la Fédération nigérienne euh, du sport scolaire a lancé ses activités annuelles, n'est-ce pas Oui, c'est nous. Euh, c'était au stade euh, général Séné de Niamey devant un public venu nombreux cette... en tout cas le jour du lancement. Cette année, il faut noter que le thème retenu, sport scolaire, facteur d'intégration des jeunes. L'objectif de cette fédération est la promotion du sport un milieu scolaire. Il faut noter, et sinon, euh, que le sport scolaire a permis de découvrir des talents cachés dans les différentes disciplines pratiquées lors de cette compétition. Cela euh, permet de consolider la solidarité, la cohésion entre les scolaires nigériens qui vont se retrouver dans une région précise durant une à deux semaines au nom du sport. Nous allons cette fois-ci à la découverte d'un des plus grands jeunes de la Super League du Niger. Oui, euh, Mira, euh, son nom est Soudez Mahamadou. Il a 17 ans. Il joue à l'AS Douane qui est en quatrième position au classement de cette Super League. Soudès Mamadou a été formé à l'AS euh, Daboré de Niamey. Passionné du foot depuis son enfance, il a commencé à jouer en 2016 avec l'AS Dabouri. En 2023, il a contribué à faire remonter le Zumunta, le ZAC euh, en Super League et en 2023-2024, il a quitté le Zumunta pour l'AS Douane. Aujourd'hui, il fait la fierté de cette équipe douanière. Voilà, c'est la fin Merci, infiniment, Gourouza, pour euh, toutes ces informations sportives. Euh, amis, fidèles auditeurs, auditrices, euh, tout à l'heure, on a eu un petit souci avec le son de notre reportage en région. Cette fois-ci, c'est géré, Samira, et on l'évoquait tout à l'heure. Bon nombre de Nigériens, à défaut de retrouver satisfaction dans la médecine moderne, utilisent le traditionnel pour se soigner. Mais ces derniers temps, les prix des produits ont augmenté parce que l'accès aux plantes herbes, et euh, herbes j'allais dire, devient difficile pour les praticiens. Plus de détails dans ce reportage signé Moutari Mahamadou. Alhaji Musa kenan dattijo mai kimanin shekaru fiye da tamanin da yake aikinsa na gyaran itatuwa maganin gargajiya. A ƙasar Nijar tun kafin a samu wayewar zuwa asibiti mutane suna amfani da magunguna da ake haɗawa ne na gargajiya ganye itatuwa tsirai wajen maganin waɗansu cututtuka sai dai har yanzu wasu suna amfani da magungunan gargajiya amma wasu ganyaye da sassaƙe da kuma sayu har zuwa tsirai suna wahalar samu saboda kaka gida da 'yan ta'adda suke yi a cikin waɗansu jeji da ake samun waɗannan itatuwa sai dai sun yi tsada a cewa alhaji musa shugaban masu sayar da magungunan ganye a kasuwar katako abin da ya sadar gaba nan ba har nigeria wanda ka ɗauko mana buhuna nigeria yanzu hudun da suka shiga 'yan ta'adda sai su liƙi ba abu hudun da aka shiga amma muna samowa a sabto amma ba ka shiga ka ya ka ɗauko 'yan ta'adda sun hana nan kuma in ka kai kai na wajen turo wanda ka kamuna baki baki na suka tsaya sai su yanta da sun ga sai su koro su duk inda an ka ce kai dai a shiga daji haka dai inda cikin daji na dan ta'adda bai yarda kuma mutane suna ji suna gani dan ta'adda suna nan su hana ɗebi magani wanda ya sabto magani ya kawo nan sai mu sayi mata nan bayan ruwa suna sabtowa su kawo muna wanda kawo nan wanda iya sai sayi dole sai sa magani shi a tun da in sun zo wanda ka ɗebowa bai samu ba ai dole shi tsada an kama yi sai a sai samu da shi a ce mu mu samu shi bakin wangana mun ka samu sai ce dole mu sai samu haka dole kuma sai sai tun shi kaso shi mu mutane gada likita sai su ce ba su maganin gargajiya amma yanzu likita su da kansu ka ga yawan garu su da kansu ka turo mutum sai su turo ta doli in sun gaza sai su ta inda alimin musa Duka da har yanzu waɗansu suna shakka shan magungunan gargajiya, amma wasu kan sun ba da amana ga waɗannan magunguna. Na yi kitbis da waɗansu da suka zo sayan magunguna ga abin da suke cewa. Da hannu da fada shi na muka zo saye da kuma saura dai ya dai da kuɗi a magunguna waɗanga mahimmancinsu yana da yau. Icce guda yana magani ɗari ɗaya. Tunda akwai abin da kaka zuwa likita a ce ma wanga ba aikin likita na na gargajiya ne to shi ko gargajiya in an ka yi shi ya zamina na likita dole kuma sai likita ami a fara a sha maganin likita na gargajiya ne aka zahi ya mudan cikin ciki ina shan maganin gargajiya hisbillah akwai da ice ne ga sunan da sani su gushe kasa suna ni sani namu na kauye da dambar kami to su ɗaya ne ka sa duk maganin su ɗaya ne ka sa in sha da bai da ɗwaci ni ba san magani mai ɗwaci dai wani ciwon shi in yi sha maganin gargajiya sai mishi magani wani ko sai ya ta likita a ɗaya sashen kasancewar masu ayyukan ta'addanci da suke kafa sansanin su a cikin jeji ya sa masu zuwa cikin dazukan neman magungunan suna fargaba hakan ya taimaka wajen farfado da waɗansu itatuwa a game da illar da ɗan adam yake wa itatuwa da har waɗansu itatuwa sun ɓace wasu kuma suna hanyar ɓacewa a doron ƙasa Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, cher auditeur, euh, à l'instant, c'était bien le reportage en région avec euh, Moutari Maman, à qui nous disons merci. Samira, c'est quoi la star du jour C'est qui la star du jour Eh bien, notre étoile du jour s'appelle euh, Khalidou Mahamadou. C'est un jeune restaurateur à Niamey. Il est dans ce secteur depuis environ 10 ans. Avant d'ouvrir son restaurant, il est resté un long moment sans emploi. moment où l'a rencontré, suivant son portrait. ir goguru guru hakucin almaro banda site depute kurara ne nyamai gallu dunkara ir sikar kalidu mamudu a wan nongo kan wari nera du jamanir kaga saban da furtigiyan kango nongora cindai gogor bam yambon cindai go kai goga batu imingai non waro ki kaga dai cindai goga mayo ce kalidu da ngaisi ai wani waro hunkuna kalidu waro ka go nera agoga maka ni ara amma a kan sintina a manfala ba kaina No, a été cool. Ka fatte cool après. Aibo wushome. Sai ne to. Alle burka goro. Gishome borum duba ne murar kara anfurno matkul kancina himara. Yam ba da shayi no gidi. Aibo burin da shayin te loch kai nufu. Ai kai sintin ai te dungura Sintin te Ele dungura raro ingre no bage taban de ale wana. a borum te aganini asinini bormo chirum sai wala kan ya kange mande adi. E dungur na mawango irgo afusiyanda ne fada fada ra kun da baro da kin kunci ne su ba boro no da ka yadi yadi ingo ingida no na yi Zan kai yanzu no gaise kai yawa. ga ga ko inda ya gote to an foye ai kan ya rigide za ku lan foye rigui zamaro cin nugu wala cin da yiddu han foye cin da inga no da wa kul idi adamu amanti kala borkan ga ngwari dai kalidu ga agoga cheba kan kalidu wo borno kan gonda sur aga ga goyo kalidu borno kan agoyo fils billa ga bin fo et puis agbore sa ta kagi manda vraiment alhamdulillah borno kan won suru fils meri an kona ayo dai kayan wo dai ay non no ay mo ay mahan tabarakallah lalle koyo kai an maîtriser ta kagi manda daga sine gon kan gorengin kambe yodin bo diya ase fi sibillahi khalid agoga cebe kan goy kunno su jan sandai wallahi go kul karano borgo borgo ga arsine sakan nan dir ce iri ne bayan kul kar goya da kulu ir ne wo niger jine deno kan ga iri ne irmo irgo kate irkan mu ga arsina da kai dia ton fo mu sandi kan ga borga go wala an fo nim ka habu nim ka gargina tontonte wala wakan mo nigdo no goyda kan wani ni farm fam da ni kagar asino ga din digine ta kan dindai ga ka dole danga dondo yanno akwai ni go ga dondo no na hare kam di dunguro ne wono dai no da kan ga mai ni kayan da tigo gabo akul ne waje ne dai no amma yargo aiwa kul gabo kul ne waje ne dai no Voilà, euh, c'était là notre étoile du jour, cher euh, chers auditeurs. Euh, faisons un dernier tour en musique. Et cette fois-ci, nous allons retrouver ce featuring entre Zedem et John Sofakole. Ça donne tout simplement Tabou moi, la jeunesse est sacrifiée. L'alternance est modifiée à son propre sort, elle est liée. Je dois partir vers d'autres horizons pour qu'un jour, à mon retour, mes paroles aient raison. Je m'en vais là où l'espoir est possible, défier leur mépris et leur climat impossible. On m'a dit que chez eux, la misère est visible, mais ici, c'est celle des miens et de toute cette jeunesse cible. Voilà, c'était là le titre Tabou Cisé. C'est nous, nous passons maintenant loti du jour. Tout à fait, Samira. La rubrique euh, loti euh, du desk euh, femme du studio Kalangu porte aujourd'hui sur l'importance de ramener les enfants de temps en temps au village. On écoute Rafika Atayer et Rabi Mekano pour plus de détails. Affairage, affairage, affairage, affairage. ma belle, comment vas-tu Je vais bien, Hawa, et toi Qu'est-ce que tu fais avec tous ces papiers devant toi ah, je cherche les passeports des enfants. Passeport Oui, tu sais, c'est les vacances et chaque année, nous les passons au village. Au village Ça ne va pas chez toi, on dirait. Aller au pays ne vous suffit pas. Vous allez continuer jusqu'au village. Rester en ville, c'est mieux pour vous et les enfants. Mais c'est là-bas que j'ai grandi, non Et puis mes parents sont toujours là-bas. Alors j'amène les enfants voir leurs grands-parents. Vraiment, moi, je ne peux pas faire cela. Mais pourquoi Au village, il y a plein de maladies. C'est pour cela que quand j'étais au Niger, je ne partais pas au village. À plus forte raison, amener mes enfants. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes Et ta famille alors Mais il y a le téléphone. On s'appelle de temps en temps. C'est tout Mais tu veux que je fasse quoi d'autre et s'ils ont des cérémonies, tu fais comment Je les appelle et quelquefois je leur envoie quelque chose. Mais tu te crois supérieur à eux ou quoi Et quand tu étais à ami, ils étaient toujours avec toi lors des cérémonies et en cas de besoin. Et ça, même sans tenir compte de la distance qui vous sépare. N'oublie pas que aller au village permet à toute la famille de se connaître. Les enfants seront des liens avec leurs cousins. Ce que tu dis là donne matière à réfléchir quand même. Hein. Mais ma chérie, ils sont plus nombreux que nous. Donc c'est à nous de nous déplacer. Et puis les enfants n'auront pas le temps de s'ennuyer. Certains m'ont dit que si mes enfants partent au village, ils contracteront des maladies. Et moi, je ne veux vraiment prendre aucun risque. <laughs> Mais et ceux qui vivent là-bas Ils ne sont pas morts Mais c'est normal, ils sont habitués. Vous pouvez vous y habituer aussi. Hawa, ah, laisse ça de. Habarabi, si tu crains les maladies, demande conseil au médecin pour prendre une petite pharmacie avec toi. Et moi, c'est ce que je fais. Et je pars avec ma provision de nourriture, juste pour appuyer mes hôtes. Bon, vu de cette manière, je pense que c'est faisable. Mais bien sûr, je fais pareil aussi quand je rends visite à ma belle famille au village. <laughs> <laughs> je connais une <laughs> qui ne va jamais rendre visite à sa belle famille au village. Ok, Ah ouais, là, je vois que tu parles vraiment de moi, je n'aime pas ça. C'est bon, j'ai compris, je vais suivre tes conseils. Apparemment, je ne suis pas la seule à avoir ces idées tordues. Hein. Tu n'es probablement pas la seule, ma belle. Je suis sûre que beaucoup de personnes rencontrent ce genre de problème. En tout cas, il faut qu'on change de comportement. C'est mieux, hein? sinon le jour où on va demander à chacun de retourner dans son village, on verra où tu déposeras tes valises. <laughs> Et à Niamey, bien sûr. Mais Niamey n'est pas ton village natal, à ce que je sache. Donc, fais des efforts. Bon, tu sais, tu as vraiment raison. Hein. Je vais programmer ce voyage et amener les enfants au village. En tout cas, tu as intérêt. Et surtout, si tu veux marquer des points dans ton foyer, il faut rendre visite à la belle famille. Elle vit quand même en brousse au bout du Niger. <laughs> même si c'est au bout du monde, j'irai quand même. <laughs> Ah, c'est pour la belle famille, là. Voilà, c'était là le loti du jour, chers auditeurs. Passons à présent à la culture linguistique et ça sera avec Ali Nali du desk Fulfulde qui nous vient avec le mot radio. Effectivement, chers auditeurs et chères auditrices, euh, comme indiqué, le mot de linguistique, culture linguistique aujourd'hui est la radio. Je précise également que ça a été expliqué en anglais, en français, en germain. Aujourd'hui, ce serait en fulfulde. Der fulfulde ni ko indirte radio kanni woni de en gatlo la radio endani ni warde hande urandu uhemre. hemre radio duni fa wadama, wadama ga yuttinde habaruji yaade e jama'are gam humpitidde ɓeydu kulle gaɗɗe e nder leyɗe duniyaru nder radio du fa hande nde en daari yewtereji no gaɗe koye himɓe pirte dow laawi cellal ɓandu deme hawta joɗodade maɓɓe gam ittude yewene maɓɓe e duni fa handen gam waddande ɓe weltare radio kettinaki muɗum ni no wallira neɗɗo ɓeyda andal muɗum heɓa duni fa handen joɗɗinde laabi naabi en dabareji nafoji ɗum nder raɓu nde wangi nder cakantaraji duni fa hande neɗɗo no anda no tokkira ñawtade na hisude raɓugu enda hande allah e yaadu yeeso heɓanu radio o en danni neɗɗo no wawi hettinade ɗum dow téléphone muɗum na dow wecco internet muɗum misali de en daari ni sigilaji e habaruji studio kala ngu neɗɗo no wawi hettinade ɗini fa hannden dow wecco internet studio kala ngu de neɗɗo waɗi www studio kala ngu point Orgue. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci Alignali, euh, Chers auditeurs, euh, nous allons à présent écouter vos messages vocaux envoyés. C'est parti. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64.

kusan sai in ce na yi sauraren labarun su fiye da labarorin duka sarwan radioka bar su sarwan radioka duk lokacin da suke lokacin banda dama mai na studio kalangu lokacin da duk za su hada sa labaran su lokacin ina da dama ba ni tunanin akwai abu da nake so a gyara bar su duka labarin da ya shahi ƙasar ka kana samun shi lokacin da kake so studio kalangu ina samu labarin su kawai da naji sun ce abu wanga kaza kaza kaza kawai shi ke na yarda haka nan ne mai studio kalangu gaskiya duk abu da nake saurare sa dangance da su eh, ina jin daɗin shi shi yasa ma ina ma biyan su ta rezo social facebook ina abun ganin shi rashu abubakar ina information kuma suna kayatar information na 17 je peux dire que même euh, je suis l'un de ceux dont Studio a l'habitude de travailler avec eux un moment lorsqu'ils faisaient un sondage donc euh, au nom de Filangue et nous avions vraiment participé et à chaque fois je suis régulièrement tant que je suis disponible je suis à la maison comme ça disponible je suis bien l'émission des studios Kalangu. Particulièrement, il y a la question du droit de la femme qui m'avait vraiment touché. J'ai suivi ça régulièrement. Il y a le droit de la femme, de l'enfant. Aussi, ce qui me plaît, la diversité des langues là. Ça donne une image d'égalité entre les ethnies au Niger. maintenant, j'ai un groupe dans lequel euh, il ils passent l'information. À chaque fois, je suis ça de près et je suis dedans. Euh, vous voyez, par exemple, ça, c'est euh, le groupe Studio Kalangu. Je suis là-dessus. Je suis les informations du Studio Kalangu et je les apprécie. 8 mars 2024. Journée internationale des droits de la femme. Semaine spéciale sur Studio Kalango. Investir en faveur des femmes. Accélérer les rythmes. Nous ouvrons nos micros aux hommes et aux femmes concernés. Du 4 au 10 mars, suivez nos forums à partir de 18h15 minutes. Investir en faveur des femmes. Accélérer le rythme. Studio Kalangu au rythme du Niger. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Samira Rouafi et moi-même Ali Moukela Hussein alias Seno. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau duo hein, avec... Euh, nos collègues. Eh bien, la technique était assurée par Amina Hassan et l'édition par la grande dame Rahila, accompagnée de notre rédacteur en chef Alassane Abdou. Excellente journée à vous.